Je voudrais, à l'entente de mon propos, présenter au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toute la nation sénégalaise suite au rappel à Dieu ce jour à Paris de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah John. Le Premier ministre John, natif de Gossas, fut un haut cadre de la BCAO. Un homme d'État brillant et remarquable qui a servi le Sénégal avec engagement, générosité et efficacité. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Le 2 avril 2004, jour de sa prestation de serment, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc contre 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministère. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de, de, notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne, à, présent la parole au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres prochainement, dès après l'installation du gouvernement je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Décret numéro 2024-939 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre sur proposition du Premier ministre. Décret, article 1er, sont nommés Madame Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées, Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Général Jean-Baptiste Tin, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Abdourahman Saar, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Monsieur Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Monsieur Daoud Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Amadou Moustapha Njek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Monsieur Cheikh Tizian Gay, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Alioun Sal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Elage Abdourahman Djouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serine Gay Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maimouna Djei, ministre de la Famille et des Solidarités. Monsieur Yankoba Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Si, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Madame Hadi Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur Alioun John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, M. Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Sont nommés secrétaires d'État M. Amadou Sherif Djouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. M. Ibrahima Cham, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. M. Mohamed Talandao, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Monsieur Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, M. Bakarissar, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Jahar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941 portant nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre. Décret, article 1er, M. Ahmadou Al-Amimou Mohamed Lo est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. mbokk yi ñu ngi di nuyu di baamu li ñu wax léegi ci kàllama nasaraan wax ko ci wolof ñuy doore wax ji ci jaale Sénégal yëpp jaale suñuy bopp waaye jaale surtout njaboot ak mbokki ki fi doonoon élimaanu di Mohamed bun Abdallah John, mi nga xam ne borom bi moom na ko tey ñu koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla ci weer wu tedd wii ak fan yi ñu toll mu tombeek fukki fanu yu mujj ci weeru koor yàlla na ko yàlla xaare àjjana yërëm ko te jéggal ko di wax ni it son excellence le président la république joxe na ay ndigal pour ñu jël matuwaay ñu war a jël yépp ba nguur gi euh, taxawu njabootam ba liñ ci war a def yépp ñu def ko it bu loolu weesoo ñuy fàttali ni njiitum réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ñoo tàbboon ñaari fan ci weeru awril def ñu élimaanu jëwriñi daal ñuy sas nag ne nañ ko jéggal jébbal ay proposition yoo xam ne dafa war yegg fa loolu moo waral suñu taxawaay tey bi ndax liggéey boobu def nañ ko diñ ko war a defee jébbal ko président de la république muy gouvernement bi nga xam ne mooy bu yees Sénégal tey ci fukki fan ci weeru avril muy gouvernement boo xam ne nag namm nañ ci mu doon gouvernement bu bu bees ak bu yeesal gouvernement boo xam ne li tax sénégalais yi woteel président Bassirou Diomaye Faye mooy jàpp nañ ni bëgg nañ li fi newoon ñu jëlee ko fi bëgg nañu li tubaab di wax rupture am gouvernement boobu loolu mooy taxawaayam muy gouvernement boo xam ne it la ñu ak sénégalais yi wax kook ñoom te tënk ko ci baatu projet muy mbébét di ñu am ñun ci senegal te tax sénégalais yi wóolu président joomaay Diakhar fay ba woteel ko ci téeméer bu nekk lu ëpp juróom fukk ak ñeent ak lu tegal projet boobu nga xam ne moom lañu yaakaar ni dina indi coppite gu sax ci biir réew mi gouvernement bi projet boobu la war a méngool wala moom lay méngool muy gouvernement boo xam ne ñaar fukk ak juróom ci ay jëwriñ la masalan li ñuy wax ministre waaye nag comme lii woon suñu yitte mooy ñu def suñu kéem kàttan ba wàññi gouvernement bi ni mu doon tollu mu ci am yoo xam ne ci ay ministère dina diis trop ci benn mbagg moo tax ñu jël ay nayib toftal leen ci yenn jëwriñ yi pour ñu jàppaleen ci liggéey loolu moo indi li ñuy wax secrétaire d'État nga xam ne mat nañu juróom gouvernement bi nag li nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Diakhar fay joxe ci ay tegtal wala ndigal ci gouvernement bi mooy na nekk gouvernement bu jege askan wi bëggatuñu ministre yoo xam ne bu ñu leen fasee ba tabb dañuy sori askan duñu xam du ñu xam lu xew ci réew mi donc gouvernement de proximité muy gouvernement boo xam ne bëgg nañu mu yeesal ci fànn yoo xam ne day jëm ci lu tubaab di wax efficacité mooy xarañ ci jublu ko jublu ci loo xam ne njëriñu senegal yi kese la ci base boobu nag. le président de la république wax ni li bëgg mooy gouvernement de résultat mooy gouvernement boo xam ne dañu war a gis jeexital ci jëfinam waaye it résultat yooyu ñu war koo am ci ay poñ poñ yooyu bokk na ci yitte yi ñu am ci programme bi programme président Bassirou joomaay Diakhar fay nga xam ne ci lañ ko falee mooy lépp li jëm ci njàngale mi yar bi waaye li jëmit ci yëngatu ak xëyu ndaw ñi ak jigéen ñi ñaareel bi mooy dund gi nga xam ne seer na ba ñépp yëg ci réew mi mu war doon yittey gouvernement bi ba ci fan yi di ñëw ñu fexe ba dox ay jéego yu wóor ci lu jëm ci wàññi dund gi ñetteel bi mooy lépp lu jëm ci atte justice ñu teg ko ci mandute teg ko ci respecté sàmmonteeg li nga xam ne mooy àq ak yelleefu senegale gu ne waaye it lépp lu jëm ci sellal ci ni ñuy yore li tubaab di wax bonne gouvernance lépp lu jëm ci sellal ak lépp lu jëm ci saytu ni ñuy yore alalu réew mi ni ñuy yoree koom-koomu réew mi ak ni ñuy yoree

Retenu dans cette équipe gouvernementale et qui, par ailleurs, exerce un autre mandat électif. Le président de la République leur a donné le délai de deux mois pour se démettre de toute autre responsabilité élective, qu'elle soit euh, au niveau des collectivités locales ou de l'Assemblée nationale, pour pouvoir se consacrer exclusivement à cette responsabilité gouvernementale qui sera très lourde parce que nous sommes conscients des attentes et des enjeux. ma daaneel wax ni monsieur le président de la république dafa am ñaari tektal yum ci yok yo xam yitem la pour bëgg a ñoŋal liggéey bi ba ca njëkk moy ci nu mu gëna a moy mooy fileek altine bu soobé yalla ñu gaawantu ba li ñuy wax passation de service mooy lenge gi nga xam ne ñi fi newoon ci ay ministre war nañ koo jox ñii ñëw ñu mun koo def ci ni mu gën a gaawee ba nit ñi mun a toog commencé liggéey bi parce que xam nañu li Sénégalais yi di xaar ci ñun ñaareel bi mooy dañu wax ni ñi ñu tabb jox leen ndomb tàng bu toll ni ministre de la République

pour mun a jagleel say waxtu yépp ci liggéey bi nga xam ne moom lañ la sas muy liggéeyu ministre de la république lii mooy tegtal yi nga xam ne mooy tëj waxtaan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah